forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Bonsoir à toutes et à tous, euh, partout où vous nous recevez, d'Arlit à Dolbel, de Ngigimi à Gaïa. C'est toujours un plaisir de vous présenter votre émission quotidienne, le forum d'Istudio studio Cette émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum d'aujourd'hui est l'implication des communautés dans la prévention et la gestion des catastrophes cas des inondations. Quels sont les dispositifs euh, locaux et nationaux de prévention et de gestion des catastrophes telles que les inondations Quels sont les principaux axes Quelle est la place accordée aux communautés dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, notamment les inondations Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité Sani Ayuba, directeur exécutif euh, de l'ONG jeunes volontaires pour l'environnement. Avec nous, Capitaine Brahidi, commandant de la 92e compagnie d'incendie et de secours à l'arrondissement communal Niamey 5. Nous avons également en ligne Alzuma Imero, président du groupement Action de développement et protection de l'environnement ADP Bonferré de Tilaberi. Nous avons également invité pour cette émission le ministère de l'Action humanitaire mais sans succès. Nous avons invité également le gouvernorat de la région de Niamey. La personne désignée nous a fait savoir qu'elle a un empêchement. Pour la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. L'implication des communautés de la prévention et la gestion des catastrophes, cas des inondations, c'est de cela dont il est question dans le forum d'aujourd'hui. Au Niger comme euh, dans beaucoup d'autres pays africains, le risque de catastrophe naturelle n'a jamais été aussi réel que ces dernières années. Ce risque est amplifié par le réchauffement climatique dont les conséquences se font sentir non seulement à travers la hausse des températures, mais aussi et surtout le décalage des saisons et une répartition inégale de la pluie dans l'espace et dans le temps. La désertification et le manque d'infrastructures adéquates aidant, il suffirait de quelques centaines de millimètres pour se retrouver souvent dans des inondations dramatique. En août 2018, le bilan dressé par le ministère de l'Action humanitaire faisait état de 49 845 sinistrés, dont 22 décès, 3 131 maisons effondrées, 3 900 hectares de cultures inondées et 26 000 têtes de bétail décimées. L'objectif du forum d'aujourd'hui est de voir comment s'organisent les acteurs et comment ils peuvent mieux réussir la prévention et la gestion des catastrophes. Pour commencer, nous allons faire euh, un tour de table pour que chacun nous présente en quelques mots son travail et les liens qu'il partage avec la prévention ou la gestion des catastrophes. Je commence par vous, Capitaine Bra, Idi. Merci de nous avoir euh, donné l'opportunité pour euh, expliquer la mission qui nous incombe. On est chargé d'assurer la sécurité des personnes et la sauvegarde de leurs biens et dans une certaine mesure euh, aussi la protection de l'environnement. Pour ce qui concerne le sujet, le développement de la société s'accompagne inéluctablement par l'expansion de certains risques donc euh, dont notamment celui, par exemple, des inondations. Aussi, il y a des facteurs aggravants. Invité à ligne euh, depuis Tilaberi, Alzuma Imero, je le disais, président du groupement Action de développement et protection de l'environnement ADPE, Bonferré de Tilaberi. Alzuma, présentez-vous euh, rapidement et la structure que vous représentez euh, dans cette émission. Je me présente Alzuma Imero, je suis le président du groupement Bonferré ADTE Action directe pour la protection de l'environnement, commune urbaine de Tilapiri. La mission du groupement, c'est qu'après les inondations des années 95 et 96 à Tilaberi, les jeunes de Tilaberi s'étaient organisés pour créer le groupement pour répondre à certains problèmes environnementaux, notamment la réduction des inondations, donc la réduction des risques et des catastrophes. C'est une colline qui surplombe un quartier qui s'appelle Kadia. La colline s'appelle Feriferi, donc inonde les champs et les habitations. Donc nous avons pris en charge cette colline à partir de 1998. Nous avons fait des ouvrages euh, anti-érosifs et nous avons fait des plantations. C'est une superficie à peu près de 80 hectares. Alors, Sani Ayuba, directeur exécutif de l'association JV, Jeunes volontaires pour l'environnement. Les jeunes volontaires pour l'environnement sont une organisation créée par des jeunes qui a pour mission principale de contribuer au processus du développement durable du Niger euh, en mettant les jeunes et les femmes au cœur des actions. Et par rapport au sujet précis, depuis 2017, nous sommes en consortium avec d'autres partenaires tels que le plus grand réseau des organisations de la société civile au niveau mondial, les GNDR, sur la réduction des risques de catastrophes pour la mise en œuvre d'un projet qu'on appelle euh, institutionnalisation d'une gestion durable des risques de catastrophes reposant sur les communautés. Donc euh, c'est un projet de, trois ans, donc qui va terminer l'année prochaine, qui essaye de mettre quand même la gestion à base communautaire des risques de catastrophes, euh, en tout cas au cœur des préoccupations. C'est un projet qui valorise euh, l'implication parce que qui permet d'abord de comprendre, de rehausser la compréhension sur les facteurs de succès, les facteurs de durabilité d'une pratique à base communautaire de réduction des risques de catastrophes. C'est également un programme qui permet de renforcer la capacité des acteurs au niveau local. C'est un programme qui appelle à plus d'engagement politique. Alors, euh, si vous voulez bien, nous rentrons dans le vif du sujet. Capitaine Braide, euh, commandant de la 92e compagnie d'incendie et de secours, Comment se présente aujourd'hui la situation hivernale à ces jours comparativement à l'année dernière en termes de dégâts ou de nombre d'inondations pour le cas de Niamey Cette année, on n'a pas enregistré des cas d'inondation jusqu'ici, Dieu merci cela est dû au fait que des mesures ont été prises en amont, notamment par exemple avec le curage des caniveaux, ou aussi le rehaussement par exemple des digues qui ont été effectuées au niveau du fleuve, donc la réfection et le rehaussement du niveau de la digue. Mais le risque est présent quand même ou on pense que cette année... Bon, vous savez, il n'y a pas de risque de zéro, comme on le dit. C'est-à-dire que là, il y a un facteur que je dois évoquer, par exemple, l'installation des gens sur certains sites, par exemple des zones qui sont inondables ou par exemple dans les marécages. Donc, cest qui veut dire que d'autres même sont, si vous prenez le quartier Bangabana, Ganda, ils sont sur un affluent mort du fleuve. Donc, cest qui veut dire qu'on ne peut pas écarter à 100% le risque. Mais des mesures sont prises pour euh, atténuer éventuellement le risque quand cela va arriver. Quoi. Bien, nous retournons justement à celui de Tilaberi. Alzuma Emero, vous êtes avec nous Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la situation de la, de la ville de Tilaberi où vous êtes actuellement pour euh, la euh, saison hivernale actuelle, est-ce qu'il y a euh, déjà eu des cas d'inondation signalés ou pas par rapport à Pilaberi, pour le moment, il n'y a pas eu un seul cas d'inondation à ma connaissance. Seulement, il y a des, des caniveaux qui sont bouchés et qui sont en train d'être débouchés et d'autres ont été déjà débouchés avant même la campagne hivernale. Maintenant, je ne sais pas si on va revenir sur le cas de ce que Bonferré a fait allons-y. En termes d'action de prévention, parce que tout à l'heure, on a entendu le capitaine Brad nous, nous expliquer que a aujourd'hui à Niamey, en tout cas, on n'a pas encore eu de cas d'inondation. Parce que quelque part, il y a un certain nombre d'activités de prévention, notamment de curage des caniveaux, de rehaussement des digues. Est-ce qu'on peut savoir au niveau de Tilaberi, qu'est-ce qui est fait localement et au-delà, vous, au niveau de l'ADPE, qu'est-ce que euh, vous faites oui, au niveau de, de je vous disais, il y a des caniveaux qui étaient bouchés à un certain moment donné, mais que la mairie a eu à déboucher. Et dans tous les cas, nous n'avons pas eu de grandes pluies à Tilabéry pour que ça occasionne des, des, inondations. Maintenant, par rapport à Bonferré, nous qui sommes une organisation vraiment autonome, ce que nous faisons, nous savons que dès qu'on dit qu'il y a une ville, les parcours des eaux de ruissellement donc, vont être perturbés. Donc c'est pour ça que nous, nous avons pris le problème par la source, essayer de faire d'abord des ouvrages anti-érosifs et de planter des arbres sur la colline afin de faciliter l'infiltration de l'eau au niveau de la colline et casser le ruissellement des eaux. Ça a réussi parce que nous sommes derrière le projet depuis 1998. Et c'est une idée vraiment locale, sans presque l'appui de qui que ce soit, mais nous avons des partenariats avec euh, tout le monde l'administration locale, la chaufferie coutumière, les autres associations qui font le même travail que nous. Donc au niveau de Bonferré, nous, nous avons mis le paquet vraiment sur faciliter l'infiltration des eaux au niveau des flancs des, des, des, collines qui font amener l'eau au niveau de la ville. Nous avons fait des, ouvrages anti-érosifs, des cordons pierreux, des demi-lunes, tout ce qu'il y a comme gamme qui correspond au terrain. Nous avons fait des plantations et Aujourd'hui, ce qui nous laisse penser dire que ça va marcher, d'abord ça a duré. Aujourd'hui, nous avons de la paille. Au moins chaque année, nous exploitons de 5 à 7 tonnes de paille. Nous euh, faisons du petit ruminant. Et aujourd'hui, nous sommes en transition à partir de 1998 avec la jeunesse de Bonferré. Tous ces enfants qui ont grandi au dos de leur maman en train de faire des cordons pierreux. Tous ces enfants qui amener les animaux à la fourrière au temps où Bonferré avait les petits arbres dans eh, son site. Tous ces jeunes, aujourd'hui, bien que dans le Niger, ils se sont organisés, ils ont un bureau de jeunesse et ils comptent développer sur ce même terrain l'agroforesterie et, la, comment est-ce qu'on appelle l'élevage des, des, poules, l'élevage du gros et du petit ruminant. Et nous pensons que avec un peu d'appui, ces jeunes-là pourront prendre la relève. Ce qu'on comprend à partir de cette situation de terrain qui présente en tout cas un certain nombre de risques, vous avez pu transformer cela en opportunité, comme disait Captain, en opportunité, en opportunité et ça vous prévient, ça prévient les inondations et en même temps, ça vous permet de gagner aussi euh, de quoi subvenir aux besoins quotidiens. Nous revenons au studio, gardez la ligne. Sani Ayouba. Vous avez entendu, euh, en tout cas, les interventions des deux autres invités par rapport euh, à la prévention et la gestion des catastrophes. Tout à l'heure, vous avez évoqué ce projet, en tout cas, euh, dont vous êtes partie prenante, qui implique la, population dans, en tout cas, la prévention et la gestion des catastrophes auxquelles elle aura à faire face. Aujourd'hui, est-ce que les dispositifs en place permettent justement cette implication de la population dans la prévention et la gestion des inondations et est-ce que le dispositif existe réellement pour prévenir les inondations Lorsqu'on avait commencé à, faire des recherches par rapport euh, à ce qui s'est fait au Niger en matière de réduction des risques de catastrophes, on a compris que le Niger a, quand même euh, un bon dispositif qui existe parce que quand on prend le dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires, qui est en tout cas logé au niveau de la primature, c'est un dispositif dont la, qui a la, euh, pour attribution la prévention, l'atténuation, la gestion et le relèvement précoce des incidences des crises et catastrophes affectant les populations rurales nigériennes. Donc quand on regarde dans ces dispositifs, il y a un secrétariat permanent, une cellule de coordination du système d'alerte précoce, la cellule crise alimentaire, le filet social. Et depuis 2014, le Niger fait partie des rares pays euh, qui a créé un ministère dédié à l'action humanitaire. Donc, ce qui montre d'abord une bonne prise, euh, en tout cas une bonne volonté politique pour gérer parce que dans la matière de lutte contre les risques de catastrophes, on mise plus sur la réduction c'est-à-dire la prévention d'abord, et ensuite maintenant, comme la nature, on ne peut pas la dompter, il maintenant il faut, gérer, aussi. Mm. Donc le Niger a un bon dispositif. Maintenant, dans ces dispositifs, à quel niveau se situent les communautés mm. Parce que c'est ça le plus important, parce que le projet sur lequel euh, nous travaillons, qui est la gestion des risques de catastrophes à base communautaire, nous permet de voir qu'au niveau des communautés, puisque dans tous les cas, en cas de survenue d'une catastrophe, les communautés sont les premières victimes. Et ces communautés ne vont pas attendre l'aide extérieure de l'État ou d'autres partenaires. Elles vont s'organiser elles-mêmes. C'est pourquoi ce projet a commencé d'abord à capitaliser les bonnes pratiques par rapport à ce qui se passe. Tout à l'heure, euh, le commandant a parlé des SCAPRU. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui ont aidé à la mise en place des SCAPRU dans plusieurs communautés. Et les SCAPRU, c'est quoi Les SCAPRU, c'est les systèmes d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Hein. Donc, c'est vraiment des, des plateformes au niveau communautaire où il y a des représentants de différentes couches au sein de la communauté. Parce que quand on prend le cas Tilaberi, on avait visité les de Tilakaina. Mhm. Donc c'est vraiment une organisation communautaire qui se réunit régulièrement, de façon hebdomadaire, mhm. pour analyser les risques potentiels qu'il y a ou bien les aléas auxquels ils font face pendant une période donnée. Et à ce niveau, ils font, ils ont un rapport, ils ont un, système de reporting, des rapports mhm. mensuels qu'ils envoient à un niveau supérieur, ainsi de suite. Mhm. Jusqu'à ce que, donc cela contribue même dans la collecte des données par rapport aux vulnérabilités d'une localité. Donc ce qui permet au dispositif national et au ministère en charge de l'action humanitaire de capitaliser pour dire voilà les éléas ou les catastrophes qui se déroulent dans une communauté donnée. donnée. Donc nous, nous avons dit en termes d'apport par rapport à nos interventions, comment rendre cette gestion des risques de catastrophes à base communautaire durable et comment l'institutionnaliser. Donc, on s'est dit qu'il faut d'abord identifier des éléments. Parce que le premier élément qu'il faut, c'est que le processus doit être participatif. Parce qu'on ne peut pas, pour qualifier une pratique de gestion à base communautaire des risques de catastrophes, il faut d'abord trouver des différents éléments. Et le premier élément que nous avons identifié, c'est le processus participatif. Donc, tant qu'il n'y a pas de participation, euh, absolument. Absolument. Donc, chaque pratique, c'est pourquoi les cas des bons frères dans Alzouma est en de relater, mhm. puisque nous avons fait des collègues des bonnes pratiques, plus que 20, 30 bonnes pratiques de tous les Niger mhm. qu'on a amené à un niveau international. Mhm. Les cas des bons frères a été retenu parce que on avait vu que c'était des jeunes, c'est la communauté qui s'est sentie menacée par les inondations causées par le ruissellement venant de la colline. Et ensuite, ils se sont organisés, ils ont mis leur système en place et ont commencé à agir. Donc, on voit un peu, il y a la participation. Donc c'est des éléments très importants pour nous mhm. euh, qui nous permettent de dire que la communauté a commencé à s'engager elle-même. À prendre en charge ou à mettre la main dans la pâte. Absolument. Donc ce qui... fait que nous on essaie de faire les liens maintenant entre les autorités et la communauté. Donc servir des ponts mhm. pour que les initiatives qui viennent au niveau euh, de l'État ou des partenaires prennent en compte les besoins et aspirations des communautés. Il ne faudrait pas que les communautés se retrouvent comme des simples bénéficiaires. Et pour cela, il faut qu'elles participent il faut qu'ils participent. Il faut qu'on les aide à renforcer leurs capacités. Parce que les communautés doivent avoir les compétences nécessaires en leur sein par rapport aux risques auxquels elles font face. Mm. Aujourd'hui, dans chaque localité du Niger, on peut savoir, on peut demander aux communautés quels sont les potentiels risques. Ils peuvent les citer. Et en fonction de chaque risque, on peut leur dire, voilà les compétences dont vous aurez besoin, voilà les techniques qu'il faut faire, voilà les outils dont vous devez disposer. Mm. Alors, en dehors de la participation, quel autre élément est important pour euh, pour cette implication des communautés dans la prise en charge des, oui, on avait parlé de la capacité d'adaptation. Il faudrait maintenant faire en sorte qu'au sein de la communauté, qu'il y ait des personnes qui disposent des compétences nécessaires à faire face aux catastrophes ou à réduire, de réduire la vulnérabilité de la communauté. Mm. Il faudrait également qu'il y ait des moyens. Parce qu'il faudrait que ça soit que la collectivité ou la communauté puisse disposer des ressources nécessaires, les permettant fréquemment d'agir. Mm. parce Parce qu'il faut les reconnaître, ces genres d'action nécessitent des moyens. Donc il faudrait permettre à ce que dans la planification au niveau communal, qu'on puisse orienter des ressources. De la même manière qu'on oriente de l'argent pour le sport, qu'on aurait de l'argent pour l'éducation, il faudrait qu'on oriente des ressources pour la réduction des risques de catastrophe au niveau de la communauté. Pas toujours attendre que ce soit les ONG euh, internationales ou l'État qui va chaque fois en cas de catastrophe attendre. Là, les dispositifs, ça peut être très lent. C'est pourquoi euh, les scapules qui existent sont vraiment des piliers essentiels dans le renforcement de la participation des communautés à la réduction des C'est-à-dire que par rapport aux moyens, la communauté elle-même peut euh, s'organiser en collectant, euh, ne serait-ce que des ressources, en tout cas limitées, ou on va dire première pour, pour, agir en attendant Absolument, parce que quand on avait rencontré, euh, par exemple, les Scapru de Tilakaina, mm. les échanges étaient par rapport à l'autonomisation des Scapru. Mm. Et en même temps, comment développer ou bien comment mobiliser des ressources endogènes au niveau de la communauté. Parce que quand dans une communauté, il y a des caniveaux qui sont bouchés, est-ce que la communauté va attendre la saison des pluies déjà installées, va attendre l'arrivée de la municipalité pour venir curer, ou bien la communauté s'organiser en faisant un appel volontaire, hmm. ou bien en mobilisant les jeunes pour qu'ils puissent curer directement. Hmm. Donc ça, c'est des initiatives. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des SCAPRI font des actions comme ça. Hmm. Dès qu'ils voient, par exemple, euh, le mur de l'école va tomber, quelque chose, ils essaient eux-mêmes d'agir d'abord et après de reporter. Maintenant, quand il y a une solution plus durable, maintenant, dans tous les cas, eux, ils ont fait de leur mieux. Hmm. S'ils ont une caisse aussi, parce que c'est ça aussi, les partenaires doivent les aider à avoir des ressources à mobiliser des ressources qu peut, que les communautés peuvent gérer. Comme ça, de temps en temps, quand il y a les moyens à investir, pour réduire la vulnérabilité ou bien pour réduire euh, euh, les catastrophes, les communautés peuvent aisément les faire, sans pour autant aller dans un long processus qui est compliqué, qui est fastidieux, etc. Bien. Alors, Capitaine Braide, euh, la participation communautaire dans la prévention et la gestion des catastrophes, notamment des inondations, est-ce que c'est un aspect que vous, vous prenez en compte et comment Oui, l'implication de la communauté, c'est important parce que quand ça arrive, généralement, nous, on n'est pas sur les lieux. Donc, c'est eux qui doivent faire l'alerte. Maintenant, ils vont prendre les premières dispositions le temps qu'on se rende sur les lieux. Donc, ce qui veut dire que c'est capital leur participation. Et il a évoqué d'un problème, par exemple, du tirage qui doit être fait par la population. Donc, ce qui veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, au niveau de la euh, de il doit faire tâche d'huile aussi dans les autres communes, par exemple, notamment à Niamey, parce que on voit que les gens ils font des comportements qui ne cadrent pas avec euh, les bonnes pratiques mm-hmm. Pourquoi je dis cela On fait par exemple les tirages des caniveaux. Vous allez voir quelques jours après, on ramasse, on amène ailleurs. Mm. Donc, mais les gens, euh, ils reviennent, ils remettent par exemple, euh, comment on l'appelle, les, détritus mm, dans les caniveaux. Donc, cest qui veut dire que, mm, mm. en obstruant les caniveaux, c'est-à-dire que et ceux qui sont en aval, ils ont fermé. Ceux qui sont en amont, ils vont subir. Ce qui veut dire que l'eau va stagner. Quelqu'un qui a une maison en banco qui fait des heures dans les flots, cest qui veut dire que la maison est vouée à sa destruction. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est un aspect. Deuxièmement, le fait de mettre les détritus là, si l'eau stagne, ça favorise la prolifération aussi des moustiques. Des moustiques, ouais. Donc, ce qui veut dire que. Causant le paludisme. Le paludisme. Mm. Donc, ce qui veut dire que le gars qui a une petite bourse, au lieu de mettre ça dans ses moyens de subsistance, il va plutôt aller mettre ça dans. Eh, le, le, pour chercher la santé. Oui. Alors, vous, au niveau des sapeurs-pompiers, euh, à quel niveau vous avez vraiment besoin de l'intervention de la communauté, de des populations avant les vôtres Bon, c'est-à-dire que c'est un service euh, gratuit, hmm. donc il suffit d'appeler. Maintenant, donner les bons renseignements. Quand il y a inondation, généralement, nous répertorions tous les appels. Maintenant, on envoie des équipes de reconnaissance Maintenant, une fois ces équipes de reconnaissance sur place, maintenant on essaie de eh, d'envoyer des équipes euh, d'intervention et de recensement. Les appels qui ont été répertoriés ont fait des priorités parce que les personnes viennent avant les biens. Maintenant, si on trouve que même dans les biens, les choses les plus importantes, mhm. donc on essaie de réduire au maximum, comme on a dit, le, les dégâts. Maintenant, c'est par rapport aux renseignements qu'ils vont nous donner lors du recensement que peut-être les collectivités, l'État et ses partenaires, donc à travers le plaidoyer qui doit être fait, vont les aider à atteindre une certaine résilience. Quoi. Mm. Et il y a un recensement, vous avez dit effectivement, qui a lieu souvent, après, euh, les inondations. L'objectif de ce recensement, c'est quoi Le recensement on essaie de voir les personnes, par exemple, qui sont affectées. C'est par rapport à ça, on fait l'évaluation des personnes atteintes. Par exemple, euh, les animaux qui sont euh, morts mm. de suite mm. ou les biens qui ont été affectés. Mm. Maintenant, par rapport à ça. Et les champs, souvent. Les, champs de culture et autres. Donc, ce qui veut dire que par rapport à ça, les gens. Et, ils se retrouvent, par exemple, sans moyen de subsistance, parce qu'ils perdent tout, souvent. Donc, ce qui veut dire que il faut les accompagner pour euh, atteindre un niveau qui leur permette de vivre décemment. Donc, l'État et ses partenaires, à travers un plaidoyer, donc, euh, on les aide. Tout à l'heure, j'avais donné l'exemple, par exemple, des gars qui ont été réinstallés. Bien que parmi ces gens, il y a aussi d'autres qui adoptent certains comportements, ont mhm. été déplacés. Mhm. Maintenant, qui reviennent, ils revendent la, parcelle qui leur a été octroyée mhm. pour revenir sur leur site euh, initial. Initial, euh, le, site Ou alors, à, ils revendent à d'autres. Alors que moi, je me dis que si on prenait, par exemple, ce site-là, le gars, il a été dédommagé. Ça revient soit à la collectivité ou à l'État. On peut aménager ça là pour euh, faire certaines euh, activités, par exemple agricoles. Donc, ne serait-ce que donner à ces gens-là, ça leur permettra non seulement d'améliorer leurs conditions de vie, mm. mais aussi ça empêche à ceux qui ont l'intention de revenir de se réinstaller sur le site. Mm. C'est des mesures qui doivent être prises. Parce qu'il y en a, ce n'est pas eux qui reviennent, mais ils profitent par exemple de la saison sèche ils trouvent quelqu'un qui ne connaît pas la situation du lieu, ils le revendent. Donc, ce qui veut dire que, du coup, ils exposent ces messieurs-là. Ou ceux qui reviennent, ils exposent leur, euh, leur famille. Mmh. Donc vous faites le recensement mmh. euh, pour évaluer les besoins, le nombre de, de, dégâts. C'est-à-dire qu'il y a une installation préalable, le temps d'atteindre le relevement C'est-à-dire que si il y a des personnes à sauver, on les sauve. Ça, c'est l'intervention proprement dite. On assure, par exemple, l'épuisement si ça ne peut pas affecter d'autres. Parce qu'on ne peut pas. Et l'épuisement, c'est quoi L'épuisement, oui. L'épuisement, c'est-à-dire qu'on aspire l'eau avec des motopompes pour les rejeter, par exemple, dans les caniveaux, si cela est possible. Mm. Mais si on trouve que en épuisant dans la maison du sinistré, on envoie dans une autre maison. Donc, c'est comme si on déplace le problème. Le problème. Donc, cest qui dire que là, on C'est les personnes qu'il faut déplacer. Qu'il faut déplacer. <laughs> Mhm. Maintenant, on les met, Dieu merci, les saisons hivernales coïncident avec euh, les, vacances. Mhm. Donc, on les installe dans les écoles mhm. où on cherche des sites. L'État et les partenaires leur donnent des moyens pour fabriquer les abris aussi et leur donne les moyens, vivre et non vivre, pour leur permettre de de se réinsérer, de, retrouver un, mode de vie, euh, même si ça ne sera pas comme, <laughs> comme avant. Sani Ayouba, un mot sur cet aspect Oui, je pense que c'est, l'un des aspects les plus importants d'ailleurs parce que euh, quand on passe la phase de prévention, Maintenant, face à la catastrophe, il faut aider après ce qui va se passer parce que déjà, il faut gérer pendant la catastrophe. Mhm. Maintenant, après la catastrophe, c'est des actions pareilles qu'il faut faire pour accompagner ces communautés. Et là également, c'est très important le rôle que les communautés elles-mêmes doivent jouer dans la planification. En cas de catastrophe, les trois phases avant, pendant et après, après. tout ce qu'il faut faire. Donc, durant nous, ce que nous pensons, c'est que durant les trois phases-là, que la communauté soit vivement impliquée. Au niveau de, de chaque phase, si la communauté n'est pas suffisamment informée, ne dispose pas des compétences, elle ne peut pas agir. Parce que mm. souvent, c'est par méconnaissance et c'est par manque d'organisation que les communautés vont revenir sur les lits du, euh, les, courriers, etc. Mm. C'est par méconnaissance que tout ce qui a été prévu souvent est détourné ou bien peut être revendu. Mm. C'est par méconnaissance ou c'est par manque d'organisation que souvent les gens vont revenir sur ces sites. Nous prenons notre invité en ligne, Alzuma Imero, président du groupement ADP Bonferré. Alzuma, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui votre groupement, comment vous travaillez avec euh, les autorités locales, en tout cas dans le développement des initiatives dont vous avez la charge travaillons en bonne harmonie avec euh, les autorités communales, et la chaufferie traditionnelle et toutes les autres structures, les services techniques. Maintenant, moi, là où je veux un peu revenir, c'est pour appuyer ce que Sani a dit par rapport surtout à la prévention des catastrophes. Dans chaque village nigérien, il y a des gens qui sont chargés de lutter contre ces phénomènes. Soit ils savent comment le faire. Ce qui leur manque maintenant, c'est les techniques. Je vais vous prendre un exemple. Dans l'Égypte, il y a des moments où les populations passent la nuit entière en train de veiller par groupe pour regarder la montée des eaux. Maintenant, ce qui reste, c'est appuyer toutes ces populations-là qui luttent contre ces risques au niveau village, essayer de les identifier et leur apporter vraiment ce qu'ils n'ont pas. Parce que comme Sani l'a dit, ce qu'ils n'ont pas, c'est les connaissances. Ce qu'ils n'ont pas, c'est les techniques nous qui sommes partis, ceux qui sont partis à l'école, n'ont qu'à essayer de voir le travail qu'il faut faire en amont, avant la catastrophe, pendant la catastrophe, comme Zanine a dit, après la catastrophe. Maintenant, je reviens. Nous sommes en parfaite euh, collaboration avec euh, les communautés, surtout la mairie. Mais ce qui manque aujourd'hui, nous, nous savons. Par exemple, si on nous confie le courage des de, caniveaux, hmm. nous pouvons le faire. Nous pouvons contribuer à sensibiliser les populations pour qu'ils ne mettent pas des ordures dedans, parce que c'est les mêmes populations, nous gouvernons ensemble avec elles. Avec le temps, on peut vraiment changer la situation. Mais la création de ce genre de cadre, c'est ce qui manque. Comment créer un cadre dans lequel tous les acteurs qui œuvrent dedans, on puisse savoir ce que chacun peut apporter comme pierre pour vraiment lutter contre ces risques. Bien, nous allons revenir au studio. Captain Bra, idée. Eh, on sait que dans ce genre de situation, euh, c'est-à-dire en cas de survenue de catastrophe, euh, il y a un certain nombre d'acteurs, plusieurs acteurs notamment, qui interviennent. Euh, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à la cohérence des, des, actions qui sont menées souvent simultanément, souvent un peu de façon éparse Généralement, le comité qui est fait, c'est un comité multidisciplinaire. Mhm. Par exemple, après l'inondation, les gars de la santé, par exemple, ils sont impliqués. Donc, euh, ils vont gérer le secteur santé. Par exemple, les gars de l'agriculture, vous dites qu'il y a des champs qui sont affectés. Mm. C'est eux qui vont procéder et à l'évaluation. Si chacun fait le rôle qui lui est dévolu, donc euh, sans qu'il y ait des, emplois doubles, quoi. Mm-hmm. Donc, ça permet vraiment d'avancer. Il y a des fois où on a des buts euh, juridiques, surtout avec euh, les nouvelles créations, ce qui pouvait parfois prêter à confusion pour certains rôles. Quoi. Mhm. Donc, ce qui veut dire que on doit revoir, faire une répartition claire et précise des tâches. Mhm. Comme ça, ça évitera de faire soit des doubles emplois mhm. ou peut-être. Euh, et de gagner en temps de gagner en temps et en efficacité. Euh, Ayuba, euh, la cohérence dans les actions, souvent euh, dans ces situations, c'est important Oui, elle est très importante. Mais malheureusement, comme euh, commandant a eu à les relever, hein, souvent on constate qu'il y a comme si c'est un clash institutionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les dispositifs, on a l'impression qu'elle est très lourde. Parce que, parce que ce qui est important, ce n'est pas le niveau central, hum. parce que c'est le niveau communautaire. Et à ce niveau, quand on regarde souvent, d'abord, il faut reconnaître qu'il y a une faible présence des ONG nationales. Il y a plus de participation des ONG internationales que les ONG nationales. Parce que aujourd'hui, ah, depuis 2012, il y a la plateforme nationale sur la réduction des risques de catastrophes qui a été créée dans l'esprit de suivre euh, la convention de, Sendai mhm. aujourd'hui, euh, qui essaye de faire, c'est vraiment un mécanisme consultatif mis en place euh, dans le cadre du dispositif national pour permettre de coordonner et puis voir la stratégie. Mais ces cadres, il n'y a, a pas énormément de, structures nationales dedans. C'est vrai, il y a des structures étatiques, la protection civile, etc. Mais je pense que il faudrait plus miser sur la participation des organisations communautaires parce que c'est véritablement eux qui sont au cœur de l'action. Mmh. Mais si ils ne sont pas impliqués souvent dans les instances de prise de décision, dans l'élaboration de ces stratégies. Il ne peut pas y avoir de cohérence. Donc il est important aujourd'hui qu'en cas de catastrophe, qu'on puisse voir comment faire en sorte qu'il y ait un comité multi-acteurs, un comité inclusif parce qu'il ne faudrait pas oublier, aujourd'hui, dans le cadre même de l'esprit de la Convention des Sandai sur la réduction des risques de catastrophes au niveau des Nations Unies, mm. c'est surtout la question de l'implication des personnes en situation de handicap. Parce que même par rapport aux vulnérabilités, c'est déjà des personnes, plus vulnérables, que, les, autres. Donc aujourd'hui au Niger, qu'est-ce qu'on en fait Récemment, on avait fait un atelier où nous avons invité la Fédération nationale des, personnes en situation d'handicap. Nous ont mm. dit, nous pensons que ce n'est pas juste nous impliquer pour dire qu'on est présent et mm. pour applaudir. Mais nous voudrons jouer notre rôle. Mm. Nous voudrons parler et puis qu'on nous écoute quand tu compte de, en fonction de notre vulnérabilité et, qu'on puisse adopter des besoins spécifiques dont cela incombe. Donc mm. aujourd'hui, c'est peut-être ce qui manque un peu à ce niveau. Donc il est vraiment important qu'il y ait plus de cohérence. C'est vrai, le ministère de l'Action humanitaire, c'est c'est un ministère qui a été créé récemment, mais c'est un ministère qui doit avoir suffisamment de pouvoir, suffisamment de ressources et être représentatif au niveau de toutes les régions, au niveau de tous les instances. Aujourd'hui, c'est un, ministère qui n'a pas les directions au niveau des régions. Je ne pense pas que c'est des directions, qu'il y a des directions <laughs> au niveau des régions. Hein, On les a invités, malheureusement, ils ne sont pas là, sinon ils allaient bien nous édifier par rapport à cet aspect. Le ministère de l'Action humanitaire, je le disais en début, ils sont aussi invités à cette émission. Euh, mais euh, sans succès. Oui, continuez. Ça non, je, euh, qu'on renforce la capacité de ces ministères pour que le ministère puisse pleinement jouer son rôle. Parce que si il y a pour qu'il y ait la cohérence que, nous recherchons, c'est que au niveau des dispositifs nationaux, parce que je l'ai dit, les dispositifs, c'est supra ministère, c'est au niveau du cabinet du Premier ministre, du Premier ministre. Donc, ça veut dire que la question est vraiment prise en charge à un niveau politique bien déterminé. Donc il faudrait maintenant qu'on donne suffisamment de ressources et que ces comités, au niveau opérationnel, soient plus ouverts. Uh-huh. Parce Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des catastrophes, il y a des inondations, avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, Qu'est-ce que les communautés Qui et qui peuvent intervenir Aujourd'hui, on ne peut pas citer le nombre d'ONG ou de structures au niveau local qui sont spécialisées, qui peuvent agir en cas de catastrophe. Il n'y en a pas, il y en a peu. Mm. Nous, on avait même suivi une formation avec euh, l'école des sapeurs-pompiers ici avec, euh, pour 100 de nos jeunes mm. en 24 heures, mais ce n'est pas suffisant pour qu'ils savent les techniques en cas d'inondation, qu'est-ce qu'il faut faire. mais on a compris que c'est une discipline. Mm. Et c'est une discipline qui doit maintenant même être vraiment obligatoire pour tout le monde. Nous vivons dans une situation, dans un contexte sahélien où les crises, les catastrophes sont récurrentes. Mm. Donc il faut que chaque population, chaque peuple des familles soit outillé pour qu'ils puissent premièrement être son premier sauveteur. Alors, aujourd'hui, euh, on a déjà évoqué, on a, en tout cas, on a déjà commencé à évoquer cet aspect, c'est comment réussir à prévenir efficacement les risques de catastrophe et, la gestion aussi efficace. Sani Ayuba, finissez. Oui, mais moi je pense que euh, pour réussir euh, premièrement, c'est vraiment une bonne coordination il faudrait permettre à ceux qu'il y ait un cadre, comme le disait tout à l'heure Zuma, il faudrait qu'il y ait un cadre multi-acteurs où tous ceux qui interviennent sur les sujets soient rapprochés. Je viens d'apprendre euh, tout à l'heure, euh, le commandant parlait de l'agriculture, de la santé. Mm-hmm. Souvent, c'est des acteurs qu'on oublie. Mais quand on pense à la catastrophe, les dégâts que cela peut causer, on doit se dire que c'est des acteurs incontournables mm, qu'il faut associer. Donc aujourd'hui, le cadre qui existe doit être un cadre opérationnel mais décentralisé. C'est-à-dire au niveau du 5e arrondissement, est-ce qu'il y a ces cadres qui vont se réunir autour du maire, autour des chefs des quartiers, avec les différents ONG qui interviennent sur la question, qui va dire nous sommes à l'aube de la saison des pluies, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Nous sommes en fin de saison des pluies, voilà l'analyse que nous avons pu faire. Maintenant, combien de jeunes, à combien de jeunes nous allons donner des compétences techniques. Parce que je pense que les sapeurs-pompiers ont suffisamment de techniques mhm. qu'ils peuvent aider, même si c'est des camps. Aujourd'hui, c'est les vacances. On peut organiser des camps de formation où les jeunes peuvent passer faire. Et puis, même si c'est des petits certificats qu'il faut mhm. les donner pour mhm. les dire qu'ils sont suffisamment aptes en cas d'inondation ou bien en cas d'incendie ou de sécheresse, ils sont suffisamment aptes à aider, à secourir. Parce que sinon, Souvent, quand il y a des inondations, on est obligé d'aller prendre des appels jusqu'à Lazare pour venir ici à Harobanda. Hmm. Alors qu'il y a combien de jeunes à Harobanda qui sont là, croisés les doigts, pendant que l'eau est en train de détruire hmm. les maisons, pendant que les gens sont en train de se noyer. On ne sait même pas nager. Hmm. Vous voyez, c'est des compétences que je pense que c'est des programmes qu'on doit élaborer ensemble. Et je pense que s'il y a un cadre comme ça, ce cadre peut suffisamment mobiliser des ressources pour faire face. Alzuma Imero, vous êtes avec nous Oui. Sur quoi doit-on mettre l'accent pour prévenir et gérer efficacement les inondations Comme Sani vient de le dire, vraiment c'est la formation, surtout de la jeunesse. Et la formation dans plusieurs domaines, parce que les acteurs, nous on ne voit que les acteurs de l'eau. Tous les acteurs, que ce soit les sapeurs-pompiers, ils peuvent apporter. Aujourd'hui, même les premiers soins au niveau village et même au niveau commune, on n'a personne pour apporter les premiers soins en cas de catastrophe. Donc il faut former tout ce beau monde-là. Les forestiers, ils doivent faire des, donner des connaissances aux populations pour qu'ils pérennisent certaines actions. Le génie rural, la santé, comment poser, c'est de ces choses-là, de ces formations-là que les populations ont besoin pour prendre en charge leurs propres problèmes. Et imaginez par exemple aujourd'hui dans un village, il y a une catastrophe. Et on ne voit que, quand on parle de catastrophe, on ne voit que l'eau. Or, il y a le vent, il y a le feu. Tout ça là, les gens ont besoin vraiment des connaissances pour faire face en cas là où le problème se pose. Bien, merci. Et, Capitaine idée pour vous, comment est-ce qu'on peut réussir efficacement à prévenir et à gérer le pendant et l'après les inondations comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc en amont, tout le temps, on prend des mesures préventives. Maintenant, pour ce qui concerne, par exemple, la formation, c'est-à-dire que les gars qui sont dans les, systèmes d'alerte précoce là, mhm. ils ont eu un renforcement de capacité. Je crois c'est à travers euh, euh, Zika ou je sais pas. Donc un euh, sécurisme mhm. et aussi comment donner l'alerte et, les dispositions qui sont prises au préalable Peut-être qu'ils peuvent juste faire des partage d'expérience avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Maintenant, pour ce qui concerne par exemple l'implication de, des communautés, c'est-à-dire qu'il y a une initiative qui a été prise euh, au niveau de la commune 5 qui procède de la création d'un cadre de concertation, mm. donc qui regroupe les gars de la collectivité et les chefs religieux et coutumiers, les ONG et les autres membres de la société civile, mm. donc qui discutent sur tout ce qui procède sur le problème de la sécurité et même, je crois, élargi au niveau de la justice. Les gens, ils discutent, on détermine, par exemple, les risques ou les situations qui peuvent se présenter au niveau de la commune en matière de sécurité. Maintenant, on propose des solutions et on prend des mesures pour celles qu'on peut gérer au niveau communal. Donc, ce qui veut dire que ça permet de régler beaucoup de problèmes. Pour ce qui concerne les interventions proprement dite, toutes les interventions sont traitées. On fait le recensement et puis le résultat du recensement est transmis automatiquement au niveau de la Direction générale de la protection civile qui le soumettent au niveau et, un niveau supérieur. Bien. Voilà. Alzuma, si vous avez quelque chose à ajouter, nous clôturons. Oui, tout ce que j'ai ajouté vraiment c'est de, dire à tous ceux qui aident, tous ceux qui peuvent apporter des aides, il faut les apporter aux populations qui ont déjà commencé certaines activités dans ce cadre de gestion des risques Parce que ça manque beaucoup, une aide peut arriver, mais ceux qui font le vrai travail ne bénéficient pas de l'aide. L'aide, le plus souvent, on le dispatche de cette manière. Ça n'arrive pas, hein, un mot oui, c'est euh, d'encourager, de voir, comme le dit par rapport à notre programme, c'est d'institutionnaliser la gestion à base communautaire des risques de catastrophe. Parce que au-delà, dans toutes les communes, toutes les communautés ont des bonnes pratiques. Donc, c'est de faire en sorte que ces pratiques soient normalisées comme normes. Donc, c'est ça l'institutionnalisation. Donc, que les autorités au niveau local, au niveau décentralisé, au niveau national puissent prendre en compte les savoirs locaux, les bonnes pratiques communautaires pour les institutionnaliser. Cela va permettre de gagner vraiment dans la réponse. Merci beaucoup à tous. Euh, nous sommes au terme du forum d'aujourd'hui sur l'implication des communautés dans la prévention et la gestion des catastrophes, le cas des inondations. Nos invités ont tous souligné l'importance de l'implication directe des communautés dans les trois phases du processus, notamment avant, pendant et après les catastrophes. Et d'ailleurs, la réussite des opérations résulte en grande partie de cette implication. Certains ont suggéré que les communautés soient outillées en connaissances techniques pouvant leur permettre d'être à mesure d'apporter au minimal les premiers secours. Le ressort également de nos échanges la nécessité d'avoir une bonne coordination et décentraliser des actions pour une meilleure efficacité. Nous étions en compagnie de Sani Ayuba, directeur exécutif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, Captain Brahidi, commandant de la 92e compagnie d'incendie et de secours euh, des sapeurs-pompiers, Alzuma Imero, président du groupement euh, Action directe de protection de l'environnement ADP Bonferré de Tilaberi. Nous avons invité, je le disais en début, le ministère de l'Action humanitaire euh, à cette émission sans succès. Le gouvernorat de la région de Niamey aussi a été invité. Pour la présentation, euh, Alassane Kouzi Mahamadou, le volet technique assuré par Issa Lawali. Bonsoir.